Welcome Gambia, chers téléspectateurs, bonsoir. Aujourd'hui, votre émission gastronomique s'est déplacée pour son premier numéro hors du Sénégal, <laughs> ici en Gambie. Comme tous les samedis, vous aurez vos rubriques à table, le savez-vous. Et pour finir, la dégustation avec notre invité du jour, son Excellence, le représentant du président de la République en Gambie, son Excellence Bassi Roussel, qui nous accompagne ce soir. Alors, nous allons sans plus tarder aller le rejoindre. C'est parti. Bonsoir Excellent. Merci de nous recevoir pour ce premier numéro Saveur du Sénégal. Du Sénégal, c'est ici en Gambie que nous le faisons. Nous sommes très honorés. Soyez les bienvenus. Merci. Chez vous, à la résidence de l'ambassadeur du Sénégal. à vous. Saveur du Sénégal spécial Gambie continue toujours. Nous allons tout à l'heure euh, discuter, échanger avec son excellence. Mais avant, nous allons rejoindre ce soir, nous n'avons pas de chef cuisinier, mais c'est une dame qui nous propose un plat spécial. maaleykum salaam. salam. ñu ah, ngi nekk ak euh, mooy jabaru son excellence euh, Bassirou Sène alors tey nag moom moo ñuy daal di rek toggal suñu plat bi ñu bàyyi ko mu présenté wu wax ñu plat la ñuy toggal. waaw man la. madame seen Banel Thieló waaw tey dañ leen di toggal sauce feuille muy sauce épinard uh-huh. waaw dañuy daal di rek bàyyi la uh-huh. ngeen daal di préparé rek daal di ko dégusté ay waxtaan nañ si yéen kontaan dañ ko def bu mu baax incha allah <laughs> ñu commencé def tuuti diwlin jël euh, soble bi def si tamaate bi tamaate doom bi yàpp lañ si def léegi nag ñu jël ndox bi ñu ñulu ko comme tamaate bi dog na noonu ñu jël ndox ñulu ko tuuti ñu nettutu jël épinard bi ñu def ko ci biir yeelu nag bi nga jël sa kaani tëmbal nga jël nag sa tiir sotti sa poisson fumé bi nga tëmbal ko ci tëmbal fi léegi tamaate fat si ñu tëmbal fo noonu rek yu nekk ay ñetti doom noonu pour mu rafetal ko kanje bi tamit da ngay ras def kanje entier bi nga tëmbal tuuti pour orner bi léegi comme def nañ ci lépp ndax léegi dañuy dañuy tëj rek xaar mu ñor togg ñankatang bi tamit Nous allons laisser Madame Sen continuer la préparation du plat du jour. Pendant ce temps, je vous propose d'aller regarder notre rubrique Le saviez-vous donc, comme vous le savez, aujourd'hui, le riz fait partie de la famille des céréales et par conséquent des féculents. Donc, il est souvent recommandé aussi de manger du riz. Pourquoi Parce que aussi, elle permet quand même aujourd'hui à l'organisme de vraiment recevoir toute l'énergie dont il a besoin, qui sera libérée au fur et à mesure vraiment que l'organisme fonctionne et ainsi aussi aider à éviter les grignotages. Et aujourd'hui, voilà, essayer de régler la question de la faim et ainsi de suite. Donc vraiment ça permet de, de, garder toutes ces ressources pendant toute la journée, les protéines, du côté végétal, mais aussi des glucides avec tous les sous forme de glucides complexes, ça à dire qu'il de l'amidon. Et c'est cet amidon-là qui permet aujourd'hui à l'organisme d'avoir toute l'énergie dont il a besoin pour pouvoir fonctionner convenablement et éviter aujourd'hui la faim. Voilà. Donc ça, c'est les bienfaits du riz. Donc aussi, aujourd'hui on va parler du riz du Sénégal, qui aujourd'hui quand même euh, est le riz est euh, vraiment préféré des Sénégalais, je m'exprimer ainsi, parce que quoi qu'on dise quand même c'est un riz qui vient apprécié maintenant par les Sénégalais, même si nous reconnaissons qu'il fait longtemps qu'il y a eu des difficultés sur la compréhension mhm. déjà de ce riz-là, mais aussi sur l'acceptation et l'adaptation de ce riz-là. C'est un riz qui n'a rien envie pour riz importé, communément le riz parfumé, et qui aujourd'hui renferme toutes ses valeurs nutritives parce qu'il est frais, il est digeste, c'est-à-dire qu'il est produit dans la même année, transformé dans la même année et consommé dans la même année. C'est-à-dire qu'il n'est pas stocké pendant une longue période. Parce que aussi le stockage du riz sur une longue période mhm. favorise le développement des aliments qui aujourd'hui peut créer aujourd'hui un excès vraiment de, sucre mhm. au niveau du produit et être même fatal par rapport aux personnes souffrant déjà de ces pathologies-là telles que le, diabète et autres. Et ce qui est recommandé, c'est de manger lentilles pour préserver aujourd'hui tous les éléments nutritifs du riz. On dit encore qu'il est beaucoup plus recommandé de consommer du riz complet. C'est quoi le riz complet C'est qu'on appelle souvent le riz carbo dans le jargon de la transformation. Parce que comme on dit, le riz subit différentes étapes mhm. avant d'arriver au niveau vraiment euh, prêt à être cuisiné, quelque chose comme ça. Mhm. Parce que déjà, il y a une partie, première partie de où il faut enlever l'écorce. Et une fois l'écorce enlevée et qu'il n'est pas comestible, nous avons ce qu'on appelle le riz cargo et qu'on appelle communément le riz complet, qui renferme toutes les valeurs nutritives du riz. Mhm. Maintenant, puisque chez nous, plus que le riz est blanc, plus qu'on est content, on est obligé de faire passer ce riz là au niveau de ce qu'on appelle les blanchisseuses. Et ce sont ces blanchisseuses-là aujourd'hui, comme leur nom, blanchit le riz en enlevant presque aujourd'hui toute la partie nutritionnelle du riz hmm. qu'on retrouve sur le, son épaisse qui est destiné à l'aliment de bétail. À défaut, si c'est du riz blanc, du riz étuvé. Mhm. Bon, le riz étuvé, c'est du riz traité à la vapeur avant d'être décortiqué, qui hmm. permet aujourd'hui quand même au riz de préserver tous ses éléments nutritifs je pense que toutes les conditions aujourd'hui sont réunies localement pour booster la production agricole afin de pouvoir satisfaire quand même la demande nationale. Et pour quand même booster cette production agricole-là, il va falloir que les Sénégalais quand même s'approprient de notre riz, le consomment régulièrement. Et c'est pour moi aujourd'hui vraiment du patriotisme économique. Mmh. économique mais ce reste que du, le patriotisme économique, vraiment, parce que toute la valeur ajoutée qui est créé reste dans ce pays-là. Une partie va partir au niveau de nos parents producteurs, mhm. une autre partie peut-être va partir au niveau de nos parents éleveurs qui utilisent le son de riz pour produire des laits qu'ils vont vendre aujourd'hui aux entreprises qui font vraiment des produits laitiers au Sénégal. Pour dire que c'est toute une chaîne. Et là aussi, je voudrais attirer l'attention des Sénégalais, c'est aussi le riz, c'est un aliment très écologique. Parce que du début à la fin, il n'y a pas de déchets. Ah. ah mais oui, la paille de riz après la récolte, elle est utilisée pour de l'aliment de bétail. Mhm. Après le décortiquage de la coquille qu'on appelle la balderie, elle est utilisée pour faire de l'énergie. Mhm. Et une fois aujourd'hui brûlée, même les cendres sont utilisées comme fertilisant au niveau des rizières. Ah. Après vous prenez le riz, avec le son épaisse qui aujourd'hui est utilisé comme aliment de bétail. Mhm. Et le riz blanc est consommé. Et même l'eau du riz euh, est consommée aujourd'hui. Voilà. waaw kay léegi na togg bi pare na soos bi pare na lii mooy eh, soos feuille épinard rees ak jàmm ak salaam bon appétit invités pour déguster le plat du jour. vous laisser saluer les téléspectateurs de Savoir du Sénégal. Je voudrais d'abord euh, vous remercier très sincèrement d'avoir pensé à, à, la Gambie à la résidence de l'ambassadeur du Sénégal en Gambie pour votre première sortie internationale. J'ai régulièrement suivi votre émission euh, à la télé, surtout quand vous êtes allé à l'ambassade de France avec, le, avec M. Christophe Bigot, qui était vraiment un grand ami, un collègue et un frère. Et saluer à travers vous tous vos euh, téléspectateurs, euh, saluer la chaîne, euh, saluer le directeur général, M. Racine Tala, qui est un frère aussi, qui, fait, qui a amené beaucoup d'innovations depuis qu'il est à la tête de cette radio. Et entre autres innovations, cette, euh, émission, Welcome à ce déjeuner concocté par, mon épouse. On vient d'arriver il y a juste deux mois. C'est elle aujourd'hui qui, s'est occupée de, faire le, plat, un plat gambien euh, qu'elle a pu apprendre rapidement ici compte tenu de sa valeur nutritive euh, et aussi surtout euh, de son goût. Ah. On peut dire que c'est la c'est une marque uh-huh. de la Sénégambie. Nous sommes en Sénégal. Parce que en réalité, ce qui se mange ici en Gambie se mange aussi au Sénégal. C'est exactement pratiquement les mêmes plats. Il y a quelques différences près, mais c'est pratiquement la même chose. Pour dire que euh, la réalité entre les deux pays, c'est extraordinaire. Nous conscions une seule nation sénégambienne, même si nous sommes deux États indépendants politiquement, nous sommes quand même une seule euh, population, une seule nation. Et nous vivons ça à travers notre accoutrement. Nos jus de bouillie de Dakar, de, gingembre, c'est exactement la même chose que nous. Ça sent bon. Voilà. Merci je ne sais pas si je peux dire. c'est délicieux parce qu'on dira oui, c'est normal. Non, mais c'est délicieux. C'est son épouse, mais honnêtement, c'est bon. <laughs> Et je confirme. Voilà, formidable. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est que c'est sain aussi vraiment des produits locaux, des produits bio aussi. Le riz aussi, c'est du riz. C'est du riz local, c'est du riz de la vallée. C'est du riz, le, c'est du riz du, pays qu'on peut acheter ici euh, à, en Gambie. Et comme le président a demandé euh, la consommation locale, l'autosuffisance alimentaire, la consommation locale. Et donc, nous raffolons de ce qui Il ne colle pas qui. Et puis. Euh, il se digère bien aussi. Voilà, voilà. Juste saisir l'occasion pour euh, montrer qu'en tout cas, depuis qu'on est là, il y a juste deux mois, trois mois, nous avons vu une population gambienne et sénégalaise qui sont en parfaite symbiose il y a une entente parfaite, une amitié, qui aussi a l'image des relations entre politiques entre nos deux États. Et je veux saisir l'occasion aussi pour saluer cette hospitalité que la population et le, le gouvernement gambien accordent à la communauté sénégalaise qui est extrêmement importante ici. Vous voyez donc pourquoi l'importation du riz de la vallée est un aspect économique réel la, Gambie construit un bon marché pour le riz local sénégalais. Nous l'adorons ici et nous souhaitons que dans le cadre de cette relation cordiale et amicale qu'il y a entre les deux États et les deux communautés qui vivent ensemble, que nous saisissons les opportunités économiques aussi pour que tout ce qui peut être écoulé sur le marché gambien puisse arriver dans de bonnes conditions. Tout ce qui se produit ici de bien aussi et qui est bien pour la santé et l'économie sénégalaise qu'on puisse aussi l'exporter dans de bonnes conditions sans, sans aucune difficulté. vraiment, je veux saisir l'occasion de ce plat pour inviter tous à déguster. Ça s'appelle comment Sauce Voilà, voilà et voilà. Merci bien tout à vous pour votre professionnalisme, votre sérieux. Vraiment, euh, vous êtes très bien. Et, et c'est pourquoi on vous confie euh, euh, une, émission aussi importante que celle. Merci Bonne continuation à vous et à votre équipe. Excellence, merci beaucoup. Savoir du Sénégal, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à euh, la GRTS, l'équipe de la télévision gambienne ici qui nous a accompagnés depuis ce matin. On se donne rendez-vous samedi prochain pour un nouveau numéro. Très belle soirée à tous. gan yi ñëw teral rek laa ji